kai din he nyale dondi kumboga he ya din ga nyale simundi kai nyala wadan ngamo ekol amadu bore kulu baba fa si he nyale si he nyale si he nyale gamundi kai mora si he nyale mora kuga he ya din ga nyala simundi kai mora Bonjour et bienvenue dans Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous êtes connectés depuis Agadez, c'est la capitale de l'Aïr. On va profiter de l'occasion pour vous dire Wayiwan. Tous qui écoutent cette émission connectée depuis Difa, Indewatu, Saleh Inda Jagar Jagar. Nos amis qui écoutent aussi cette émission connectée depuis Tawa, depuis Zender, depuis Maradi, Inakwanankou. Tous qui écoutent cette émission connectée depuis Niamey et ses environs, Kolotoro Dissai. Bonjour ou bonsoir selon la disposition du soleil par rapport à la nous sommes sur tous à la FADA. On parle toujours de la scolarisation de la jeune fille. Hier, la FADA Sizipo Adouchi ou RMK, entendez par l'arabie Rabbi Mekano, a parlé donc du savoir mieux de la scolarisation de la jeune fille Adouchi. La fréquentation des filles aux primaire est estimée à plus de 40% et toutes ces filles atteignent le collège

Quelles sont les actions menées pour permettre à la jeune fille de Burning Gauré d'accéder à une éducation Interrogation. Qu'est-ce qui a déjà marché et qu'est-ce qui reste à faire Vous le savez déjà. Il y aura de la musique en principe sur cette émission parce que nous sommes jeunes. On ne peut pas parler de Fada, sa musique et le thé. Et j'espère que vous avez aussi posé le thé, camarade SG. Oui, oui. Le thé est posé. On aura le premier dans un instant. Merci donc pour cela. Alors, pour parler de la problématique, je suis avec M. Tafa Ali, secrétaire général de la commune urbaine de Birne-Gaoré. Vous allez bien Bonjour, ça va. Bien, nous sommes aussi avec M. Zabeirou Naroua, responsable de la scolarisation de la jeune fille à l'inspection Birni nous sommes avec M. Euh, Monsieur Soumana Anafi Souley, professeur au CEJ à Boulassane. Ouais. C'est ça mm. De Birning Gauré. Mm. Nous sommes aussi avec un camarade, un camarade secrétaire général. Secrétaire général, je dis bien des étudiants ressortissants de Bobek. Au Niger, l'éducation est aussi caractérisée par le faible taux de scolarisation, 63,2% en 2012, selon l'Institut national de la statistique. Quand on parle de scolarisation de la jeune fille au Niger, quelle est la situation de la jeune fille de Bénin Zabérou Narwa. responsable de la scolarisation de la oui, Oui, donc à l'instar donc, des autres structures participatives des écoles, mhm. l'association des mères éducatrices AME, donc, euh, c'est une structure transversale dans la contribution et trop sensible dans le bon fonctionnement des écoles, eu égard aux multiples rôles qui lui sont dévolus. Il s'agit entre autres du recrutement, car sans elle, les effectifs donc des écoles seraient insignifiants, particulièrement ceux des filles. Du maintien des filles donc à l'école dans la parité ne cesse de décroître en défaveur des filles. Dans ce sens, en collaboration avec les mères des filles au village et les communautés enseignantes des dix villages, elle crée donc des synergies d'action à travers les réunions et les assemblées générales pour interpeller les consciences. Il y a aussi donc le suivi des filles à l'école sans le concours donc de l'AME, beaucoup d'écoles seraient désertes aujourd'hui. Voilà donc euh, pour ce qui est donc de notre partenaire donc essentiel qui est l'AME parce que et le service de la scolarisation des filles ne peut pas marcher sans pour autant, faire intervenir cette structure capitale qui est la e. Monsieur le secrétaire général, son sanne ko kan ci hmm. agi banu fassare sesaram sanniga pour que manti bore kango ne pour que bura kul kango anganirsi kango do ce région wara de Niger Miami irma hankano AMEO eu karu kago kate parce que misali ga yo retenir kan sanga zanke kayne wonde je disi ko école agi hengel kan de kat la labo ci dirobo agibana mkanu sane kul farsare sizaram sandiga ok donc wonkanga ci eh, danga arambai labo sigira bumbono lokolo mm -hmm. im kokari furta jey ma ba ara mm -hmm. wanu wana wundiyai mm -hmm. donc sigir no kan labo kunna ga guna maintenant mhm. ngo ne o birni ngono ti scolarisation de la jeune fille a wane gin funa kanga ga ga guna a gore no a wodin mm -hmm. a cikan goyodin mm -hmm. inge wo si hingudu inge ma temat kinge bara da daman cinge na association gisino kan sigine AME mhm. association des maires éducatrices ko mhm. voilà donc danga zankai nyange inge noti goyo gabo kulu mhm. zama zankai i wone gahan bano di wone wone harake me ame nyange do nago nyange no bore kan sintinge ma idori

Merci, monsieur Tafali, secrétaire général de la commune urbaine de Birnengaure. Alors, pour parler de statistiques, nous n'avons pas les éléments qu'il faut en prendre cette émission, mais on va s'intéresser, on va poser la question au professeur qui est en contact permanent avec les scolaires. Alors, Dirsambou, Missaliga, vous êtes tout le temps en contact avec eux. Des ans que vous des go école n'gbay, des ans vous des ko école To dirne no numur no kamba bera, ni misaliga kanon go harkada, zankay gogi kamba école le sambe école bonjour. Euh, donc, en fait, quand vous prenez la commune de Birnengauré donc mhm. moi, moi j'enseigne au niveau du CG Aboulas, hein, et mhm. c'est un CG qui est, oh, qui est desservi par mhm. les villages environnants. Donc, et quand vous prenez, c'est des villages donc, qui servent notre école. Donc, quand on prend globalement, donc il y a assez de filles. Quand on prend les effectifs de filles, donc je n'ai pas donc, l'effectif total, mais quand même, il y a, il y a plus de filles dans, certaines classes que des garçons. Et quand vous prenez même, même les premières, ce sont les filles. <laughs> Et quand on revient au niveau des parents, des mhm. parents d'élèves, mhm. on doit encore les sensibiliser sur la de la jeune fille. Mhm. Parce que déjà, on en a déjà parlé. On doit encore réinsister pour que plus de filles partent à l'école. Mhm. mais quand même, on doit faire un travail pour essayer donc de booster donc, euh, ce, taux-là. Mhm. Parce que déjà, le taux est faible. Bien sûr. Donc, ce taux est faible, donc il faut encore. Il faut, un combat. Le taux est faible. il faut un mhm. combat. il faut encore, donc, euh, il, faut, sensibiliser les gens parce que ça passe par la sensibilisation. Alors, on revient vers vous, camarade secrétaire général. Alors, dites-nous, euh, quel est votre constat, vous Bon, nous, notre constat n'est rien d'autre que là-bas à l'université, nous sommes en contact avec les filles. Donc souvent, nous constatons qu'il y a plus de camarades garçons à l'université que camarades de filles. Même à l'université À l'université. Ce qui veut dire que mhm. vraiment les filles n'arrivent pas à avoir la chance de continuer leurs études supérieures jusqu'au niveau des mhm. universitaires. son ko haru SG. Il faut nous faire. Ok. Donc, euh, irgi hingane jama kulu sanino. Mm-hmm. Eh irla bone murade mm-hmm. lokolo do hare harno kan hakango gana ganjam ko irgine haryenno kan iga bagumu. Mm-hmm. Igi hingi eh, ye danga fahama bumbo kan borai gonda lokol cinabu. ni bay banda banda bore si lokol bore sinde lokol valeur isi lokol valeur bay uhuh. banda banda di guna jiri kan danga jiri gwen wal jiri gwen kan bisa uhuh. lokol wo din ko aro mbo haram ni ga sambu mm. anga manci no go hare hannu no mm. donc di en kuldi ye banda igidi kan hayen non kan tafar mm. zama bor yengo kan gonda la sabe din halga kason to di gono kala moso moso ni gi famandi mm. iri wone famandi yango gete danga zanke kanga reusur mm. chawera mm. kundi di wo boren kanga te ministre ya mm. wo boren kanga te député wo boren kanga te DG ya kanga labu mai bumbo kanga labu mai bumbo da mm. borai din mm. eh, eh alhal example no labu aga kande borai ga kange lakalera kan mm. lokol mm. euh, wo gine yamuno donc mm. wodingo senera mm. in kanta mm. talkatare bumbo gono pauvre teno o oh, danga din ko no ngufo ngo no talkitara bono go bore ganji im ka ngi zan kai da lokol lambo oh yin kanta no yin kanta in zanta mm. alada kan wo boro fu seni ne te hije seni ne te mm. alada no alada din ma go bore tafar ba parce que zan kaza ato yirwo cindugu idu iye idia sintingite wo boro kulim ne a ni ni kwara lok manchi lo kolno tini do ngo hango nigihe nikunye kwara wone ugo tafariya ngera ago tafariya parce que bora ago atoseje ago 4e mm. ina ato hije ina ka ina hijandi mm. tafariya no sanga dol dol hijana bon dol dol ni gine parce que bora go lo kolin kendi le kalma ya kendi babone ay ka ko hiji nyango ne ka ko hiji dol dol ina no agine nas to yon ku ko ringa si or idi mi more no im continue mm. donc wodi la saboni mo ago sende quoi Mm. Bon, igin sende iga ba me wone gingi sambu hinza o igo sende bere la kwa. Mm. Kan go ganan haya go sendi a go ta far me fa me go teken kena. Wala. Akwai masala? Akwai masala? Usaye ustukutu gachi fa uchi seka wala im naram ko ekol. Alors on va dire <coughs> il veut, il veut réagir. On veut surtout avoir à, votre, par, rapport donc au cause là. Mm -hmm. les causes vraiment, elles sont immenses et multiples. Mais dans la ville de benin mhm. le problème ne se pose pas. Mhm. Parce que les effectifs des filles mhm. dépassent de très loin ceux des garçons. Mais le problème là où il est criard, c'est en milieu rural. Ah. Quelles sont les causes Il y a d'abord l'analphabétisme des parents. Il y a le manque de sensibilisation de proximité. Et il y a les travaux domestiques. Mm. Les filles sont utilisées comme des mains dœuvre mm. Si vous partez ici, tout près à côté, à Margou, mais toutes les filles des villages environnants, mhm. elles viennent s'aligner pour vendre ce qu'on appelle le gamsabali. Hein? Mm. Donc, il y a donc ces, facteurs-là. Mhm. Il y a le problème de tuteur une fois au collège. Mhm. Donc, en quittant le village, quand, quand la fille vient au collège, elle ne sait pas là où elle va. on est donc euh, pour qu'elle soit entretenue. Mhm. Il y a aussi <clears throat> le manque de modèles filles mhm. au niveau d'un cas de Tiroua, dans les villages. Il y a aussi la pauvreté extrême des parents. Ah, voilà par rapport aux causes. So maintenant, quand on semis quoi non des il faut il faut il faut il faut du problème école que mhm. bon en ce qui concerne euh, à propos de la scolarisation de la jeune fille. C'est vrai, il y a des difficultés au niveau de la jeune fille. En ce qui concerne les parents, mhm. ils envoient leurs, euh, comment on l'appelle, leurs enfants à l'école. Mhm. Juste, s'ils viennent, ils partent à l'école sans rien leur donner. Elles devraient eux-mêmes. zanganai songo iginga izaida e kolimine e kolono imino kaye imino bik imino livre hmm. isingi no inge wo yakine imino nor im koida inge bonsi yakine ka hmm. inge bon won norira imno isi hmm. wodi bum boda problem no paranga dona oh okay zang wodi mo inge mo inge mo himgi comprendre songo hayo ifenige hayo hawora kirgo mhm. problem gono mhm. noru no siro donc noru noru jenga tartara awo kan kan na baranga isinge isinge ize sambai kolona oh wadi moro gona entere didi mm. eh idi borfo kan gonda nor ken fo so yakine mm. a ara izo ga taise mm. ma sambu ga nasi sambu ga yeni <laughs> wala musiyada musiyada wala musiyada <laughs> ala musiyada alors borfo gon ken borfo gon sen kal ton ton déjà moi un problème au kan gono Rachida, nasi ashira ashida matgam tal ko ma ni ma ne chala ne hawai dini nge dini bondeze dan école fon hayre siga siga sinai igi batu kan goma to ma kulce ise wal mo bindi borazan kaina asintin ko école asintin fam zada asintin fam kain fo ngono hayre di kan idi barkan wanda bata na boza igi bora sambu ima hejandi banno ha di bora hiji mo kolo afate école no no ifono no ngi tontom, ifono no te probleme kanyang ginga kande kan irgen gudu ne mu no problem fo non du wa fo yenga siba yenga mi da ekol mhm. a fo yen igane gina ya mhm. yenga si da ekol mhm. yenga si donton igi da ke odi kul nyanga igano abutali oh, wal mo bindi ne boram ka ko fari woni mamadou ne sen ko fari <laughs> alors Partons donc de ces propos de ces jeunes filles, on va là la musique, une musique qui sensibilise. Parce que Et la musique là, c'est une musique d'une formation du Niger, métaphore, Kourounou Guinée ku ko bai sirma ta kyarban ku tout le monde a beau dénoncer tout le monde a beau critiquer mais jusque là rien n'a changé Koubata Akinta, tout le monde a beau critiquer tout le monde a beau dénoncer mais jusque là rien n'a changé mais nous on veut un changement métaphore crew alors que la convention ratifiée en Ouattara 保洁员。 donc permettre au professeurs donc d'intervenir par rapport donc à toujours ce problème On voudrait surtout avoir ce qui bloque pas seulement la scolarisation, mais surtout le maintien de la jeune fille à l'école. Donc, Donc, ce qui bloque pour, revenir par rapport au propos de M. Zabayrou, donc mhm. effectivement, il a cité les, les, problèmes. Mhm. Donc, quand vous prenez, je disais au début que notre école est desservie par les villages environnants. Quand vous prenez l'exemple de Margot, mhm. effectivement, presque toutes les filles, toutes, les élèves filles qui, sont dans notre école, donc euh, qui viennent de Margou. quand vous partez à là vous les trouvez au bord du goudron en train de vendre donc, du, manioc. Ça, c'est un blocus parce qu'ils vont déjà avoir l'idée de l'argent que de penser donc aux études. Mhm. Une fois donc au collège, c'est mhm. vrai, le problème se pose, le problème de tuteur se pose. Mhm. Vous n'avez même pas donc les moyens pour nourrir votre famille. Comment est-ce que vous pouvez prendre une fille pour, pour, pour la tenir chez vous C'est difficile. Donc on joue avec les moyens de bord. Donc je pense que l'État doit penser mhm. donc au système donc de, comment appelle-t-on donc de donc de, cantine mhm. ou bien donc de dortoir mhm. donc pour filles et on doit les suivre parce que la fille donc suivie donc c'est un modèle pour la société en général. Hmm. C'est ce que je, je souhaite. Nous rappelons aux auditeurs de nos 38 radios partenaires qui ne sont pas encore abonnés à notre fil WhatsApp qu'ils peuvent réagir et recevoir nos contenus en envoyant, en envoyant jeune au 80 06 88 54. Nous parlons aujourd'hui de la scolarisation de la jeune fille de Birnin Gaoré et de tous les obstacles qui l'empêchent d'aller à l'école ou de poursuivre sa scolarité. Comment l'État et les structures œuvrant dans ce domaine s'y prennent pour venir à bout à cette situation. Tout à l'heure, on avait parlé de l'AME. Alors dites-nous, quelle est la politique menée par l'État pour donc euh, envoyer toutes les jeunes filles de Bernie Ngaoré à l'école Bon, en cours d'année scolaire, il y avait une mission donc, qui a sillonné tous les villages donc, de la commune de Bernie mhm. pour mettre en place donc, les structures AME au niveau des villages. Mhm. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accompagnement. Mhm ne serait-ce que dans le cadre des, quand le secteur sort dans le cadre de ses activités régaliennes, mhm. le pont focal se confie donc le pour pouvoir donc rassembler les parents et puis leur parler vraiment du bienfait donc de la scolarisation des filles. Parce que aujourd'hui dans ce monde, il n'y a pas un pays qu'il soit de la latitude tropicale ou tempérée mhm. Hein, mhm. qui s'est développé ça le concours donc, de la féminine. Voilà, voilà. Tout simplement. Alors, c'était M. Zaberou Narwa, responsable donc, de la scolarisation de la jeune fille à l'inspection Birni 1. Je reviens avec vous, M. Tafali, secrétaire général, M. Hmm, Tafali, secrétaire général de la commune urbaine. Dites-nous, vous avez une politique que vous êtes en train de mener à votre niveau, une politique locale pour euh, que ces jeunes filles euh, partent à l'école Est-ce que vous avez une politique Bon, à proprement dit, nous n'avons pas une politique euh, dans le sens euh, communal du terme. Mhm. Toutes les politiques que nous employons, que mhm. nous utilisons, sont des politiques de l'État mhm. en la matière. Euh, notre, au niveau de la commune, notre mission consiste à créer les conditions pour que ces politiques-là puissent être appliquées en vue de produire l'effet escompté. Merci. Alors, Monsieur Soumana, Nafi soleil. dites-nous, à l'école, est-ce que vous, êtes déjà en train euh, de, mener aussi un combat vous, le faites de temps en temps Oui, ça, c'est un combat naturel, parce que les filles, c'est nos filles aussi. Mhm. Ah, donc, et ça, c'est pas seulement les filles, ça concerne tous les élèves. Mhm. Nous, notre souhait, c'est de maintenir tous les élèves à l'école. Tous les élèves En particulier les filles. Les filles. Alors, Boukari Bachir, vous êtes syndicaliste, vous êtes un secrétaire général. Tout à l'heure, dans vos propos, j'ai senti que les jeunes filles, euh, étudiants et étudiants, étudiants, ni ne structure aura, et bas étudiants. Est-ce qu'on aura un combat mené pour que on ait au Irma Bonza? Bon, un combat mené. Pour que Irma Korfa Ferry, pour que Tafar. Pour que Irma Korfa Ferry, Zankaye Wande Zemakyo Parce Puisque bah, ne dit la sabu, Birni dire qu'à de vacances, c'est souvent. Mm irga wanda zai favorize gumo mm. ba ka dono yau na wala haifo inga yin irga favorize gumo just irga wata kulmo irga yi sensibilize just imakin ka ka ekwal ka kyau fiske di gorfu haikul na suna fi se peut-être beau dans l'avenir bo fosin ki higidi man kyau donc euh, après wadin wata kulu sagera irga ko irga te sensibilisation sagera irga te sensibilisation yan sa gera ir wani structure mhm. irda e ciden ga irga tun irga koy souvent ir koy di mairie dunan kan irga duga sine de mhm. malgré que yani yande no irga koy sa gera irgi sensibiliser ir mene ir koy sai manan zan kai makyau im sidi zam se ko kiya to 17 wale abir kai na foy mene am fatta ko alaji foyi peut-être am du kande noru mhm. lokaci kai nira hambagar iga fai bumbono wal da mm. woke umbo ki kan da sai a kyau da min nayin go woro kan kyau iga wala kanci alen sanne yo kan gote te gorna fa On m'a dit que nous sommes aussi, nous avons avec nous une camarade étudiante. Tout d'abord, je me présente au nom de Haruna Leia Balkisa. Ken mhm. fono non gonda. Hayra gere kan ne zan musu misko ekol. Kan zan kasi higendi dol dole. Kan ne zan kasi mka ko fari. Kan ne zan kasi mka ko talim misko ekol. Nous en tant que oborez, ken fono non gonda rai wose. dans cette génération, hmm. ce qui a la seule différence, c'est les études. Mhm. Alors, euh, je ne vois pas en quoi les parents vont empêcher les enfants de ne pas aller à l'école. Mhm. Parce que le développement est cadre de l'école, hmm. Nous avons évoqué les causes, la situation, les actions qui sont menées pour permettre à la jeune fille de Birmingham d'aller donc euh, à l'école. Alors, les jeunes, je m'adresse à vous. Est-ce que vous ressentez le bénéfice de ces actions Celle-là, c'est Microad. Elle va commencer, elle va, elle va se présenter aussi. Ah, j'ai Arango. Mhm. Ibo Bobumbo. Arango dia, Arango, Arango, Arongo dia. Mhm. To. Zamusongo, Irwanda Weber ministre <laughs> yan, Irwanda mhm. Weber député yan. Di manchau matana agtegti. Asti. To. Oh, ba ba foyer ya mbora dimman chawan fondu gudu problem zamna kon warang te economy familial familial mi fama daran se matkinano madda matkinano bor imam te matno bor kurinyi gainda wala mhm. matkinano bor da kanda asin <laughs> ah, talime <laughs> akul gara melo chani akul gara matini hinen se umar yahya usaifatu umar yahya Usayfatu. auprès du grand Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle. Et à la fin de l'émission. On va cette fois-ci parler de perspective. Qu'est-ce qu'il faut surtout faire Il faut qu'il y ait vraiment des sensibilisations de proximité. Mhm. Hein? C'est Ce n'est pas parce que les... tous les parents sont réfractaires à l'école. Mhm. Non. Comme je vous l'ai dit, il y a un problème de pauvreté extrême. Mhm. Le toit doit faire quelque chose. C'est-à-dire à multiplier les cantines, principalement dans les écoles nomades. Ce n'est pas parce que ces nomades-là ne veulent pas inscrire leur fille à l'école. Hein. Mhm. Mais lorsque, lorsqu'ils veulent quitter mhm. pour une autre localité, mhm. mais ils ne peuvent pas laisser leur fille eh, au, village. Mais s'il y a une cantine scolaire, le problème ne se pose pas. C'est l'accompagnement. En plus de cela, il faut vraiment eh, accorder une, place de eh, choix à la jeune fille qui a réussi, mhm. surtout celle du milieu rural. Mhm. Hmm? Elle finit ses études, maintenant il n'y a pas de métier. Mhm. Elle a, atteint l'âge donc de se marier. Non seulement au village, elle ne peut pas se marier, et en ville encore, c'est un autre problème. Hmm? Elle est déjà émancipée, elle ne peut pas se marier à un alphabète. C'est tout le problème. Hein. Vraiment, comme que l'État fasse quelque chose. Même si dans le recrutement, moi je ne trouve pas d'inconvénient qu'on dit qu'on recrute 75% des filles et 25% des garçons pour, encourager les gens. Au moins créer l'équilibre. Ok, ok, ok, ok, ok. rando fada mo de camarade secrétaire général de la mairie on va d'abord remercier Monsieur Zabayrou Narwa pour l'intervention. Mais dites-nous, manga china no rima irma problème sambu tafarengo irma irma irma irma ok ayo mien denga bon fera do ni ma matakuti. ta côté mhm. bon fera parce que tilay no do boray si bay infani kan ngese lo kolra mhm. isinga la kala yeti lo kolo donc dole no mo farate do de hari parce que wodi mo irla bo kulu mo no gonna muradu hun hmm. kuna il faut no tikkan irla bo gon problème bo wat kuli gene ago dernier dernier hmm. gene ide asho wat kula go awa chewo ngodo hari na go kan to d'alphabétisation ngono go très bas wanu wanu we bore woni hmm. facteur hinkawo nganda ga hambano do hari no labo go ge da bandada e la non kul ci birni hinne labo me a mera no diga ba ir mutun il faut que lokolo di ma gabandi ima no gabi mm. lokol berere de manière globale alphabétisation gono lokolo bumbo gono lokol traditionnel gono imbore no bon faire kan lokolo di agonde infani hunkunda subada kala hanfosi Je reviens avec le professeur. Selon vous, à quoi faut-il s'attaquer pour permettre aux jeunes filles de Birningauré d'aller ou d'y rester à l'école Avant de parler de Birningauré, je veux parler du Niger en général. Du Niger en général. Donc, il y a trois. Je pense que, premièrement, il faut d'abord sensibiliser les leaders d'opinion. Mhm. Ce sont les chefs coutumiers. Mhm. Les imams. Donc tout ce qui est leader d'opinion, on doit, c'est eux que l'État devrait sensibiliser, former, les, former, les sensibiliser. Mhm. Et maintenant, eux, à leur retour, donc dans leur euh, village ou bien ville respective, qu'ils essaient aussi donc de sensibiliser leur population pour, aider l'État. Parce que l'État seul ne peut pas faire euh, tout. Donc il faut qu'il y ait des appuis. Il faut que l'État soit appuyé par euh, ses euh, leaders d'opinion. Mhm. Et aussi, donc, il faut créer, comme je, l'ai dit donc, tantôt, donc, le système de dortoir pour parler à ces problèmes, donc de, maintien des filles à l'école. Mhm. Parce qu'on ne peut pas faire des collèges dans les villes et que ces, filles-là viennent des, villages mhm. et que et, le problème donc, de, de donc, se pose. Donc il faut que l'État songe à créer le système de, de dortoir pour parler à ces problèmes dina émission o banantamo irgondiri cal fo kan signe olivier agon chronique fo kan signe chronique d'olivier c'est notre produit web avec ses infos on aura donc aussi des bons conseils sur cette émission place à la chronique d'olivier notre paparazzi maison Amis jeunes fidèles auditeurs du studio Kalangu, le huitième mois de l'année s'est achevé hier et comme le mois passé, nous vous proposons une rétrospective de l'actualité des jeunes. D'abord, nous allons revenir sur l'actualité nationale marquée par la fête de l'indépendance du Niger le 3 août, une fête perçue différemment par les jeunes. Non, nous ne sommes pas libres. On peut dire que sur le papier, voilà, nous sommes indépendants, mais jusque-là, nous sommes dirigés par les Européens, surtout la France, voilà, qui nous a colonisés. Pour moi, le 3 août, euh, c'est une grande fête, c'est un grand jour, c'est une grande date. Ça représente un peu l'affranchissement de mon pays. Voilà, je complète cette auditrice avec cette citation de John Fitzgerald Kennedy qui disait aux Américains, ne demandez pas ce que votre pays fait pour vous, mais demandez ce que vous faites pour votre pays. Autre actualité, les amis, nos amis de la région de Difa se mobilisent contre les enlèvements des jeunes filles. Cette région confrontée à des enlèvements et prises d'otages. Les membres du Conseil national de la jeunesse ont organisé une séance de sensibilisation à cet effet. On se demanderait encore si les sensibilisations ont des impacts. La réponse d'un organisateur. Tout à fait, tout à fait. Ces, activités ont impacté les jeunes parce que c'est des contacts directs que nous prenons avec des jeunes qui sont souvent, en tout cas, des, des qui qui sont au chômage. que nous, nous pensons que ces activités ont eu des impacts positifs et qui ont contribué à ce que ces jeunes ne soient pas recrutés par ce groupe. De DIFA, on revient dans la capitale Niamey où des députés de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, étaient en forum à Niamey sur la migration, un phénomène qui touche de nombreux jeunes. Enfin, on clôt avec cette information à l'international. Les funérailles du roi du coupé décalé Didier Arafat, décédé le 12 août suite à un accident de moto, se sont déroulées ce week-end en Côte d'Ivoire. Didier Arafat peut sans doute rejoindre les légendes de la musique comme Bob Marley, comme Michael Jackson, comme Duke Saga. Que l'âme de l'artiste reste en paix. fin donc de la thématique scolarisation de la jeune fille dans la région de Dosso, où on a fait un zoom sur Douchi, où tout presque paraître genre Sanga, Agobori, Gogobori, tout est presque rose là-bas. Et Birningaure où il reste beaucoup à faire. Mais on retient, on peut y arriver. Merci à nos amis de Birning Merci aussi à ces jeunes filles et jeunes garçons qui ont effectué des déplacement. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour vous. Pour dire aussi et montrer à l'opinion publique que nous sommes bien nous sommes bien accueillis et nous avons bel et bien atterri ici. On nous a accueillis à bras ouverts, comme on dit. N'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 pour participer à nos émissions et recevoir tous nos contenus. C'était donc euh, l'émission Tous à la Fada. Machine. Talk it. Hey.